ngir am information yu wér te wóor Jeri Jeri TV bo bés boobu. Hein, ça c'est le coin des tomates. Ici on a les pâtes. Donc les tomates, là-bas les tomates, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise qui vous a ouais. Directement. Ouais, l'entreprise. Vous, vous allez distribuer. Voilà. Quoi. Et ça c'est une très bonne idée. C'est un peu pour tout. Hein. Ouais. Là on a ça, c'est une entreprise aussi. Ouais. L'entreprise même qui nous offre. Que ça soit la même chose pour, euh, pour ces Pepsi, les biscuits là aussi. Tout ça, c'est des gens, des gens qui nous le donnent. Voilà. Le Mada aussi. Tout. Les qui vous avez des recommandations avec Mon père a posé les recommandations. Et c'est ça, il y a une de reconnaissance. le Pepsi, là, ça jusqu'à là. nous ont offert deux packs de Pepsi. Donc, ce qu'on faisait Quand on faisait les sandwichs, à chaque personne, un Pepsi. C'était très bon. Et puis voilà. Il y a même les savons, hein. Voilà les amis qui nous regardent. Hein. Ici, euh, c'est la fondation Gas notre père regretté qui nous a quittés. Alors malgré tout, ces euh, enfants continuent toujours de mener euh, ces actions qu'ils faisaient avant. Voilà. Euh, on est au niveau du dépôt actuellement, vous le voyez, hein. il y a plusieurs types ici. Hein. Il y a le tout, il y a la tomate, il y a le savon, il y a le beurre et le lait, l'huile, l'huile, les pâtes. On n'a pas dit de livre. Parce que le riz est là-bas au gros. Ah, Et on avait presque 500, 500 sachets avant. 500 de 50 kilos. 50 On avait presque 500 sachets de 50 kilos, soit l'équivalent de. Je ne vais pas dire des conneries, mais je crois que ça fait. 25 tonnes. 25 tonnes. 25 tonnes. C'est 25, Si c'est 50 kilos, c'est. 50 kilos. Et là-bas, on a presque fini avec le riz. Alhamdulillah. C'est bien. C'est ce qu'on donne le plus. quoi. Vous l'avez distribué durant le mois de novembre. Voilà. Presque 25 tonnes. Très bien. Alhamdulillah. Voilà. En fait, à la base, mon père, mhm. lui, comme je vous ai dit, il est mort. Il stockait tout là-bas. Ouais, ouais. Là où il y a les au milieu, au milieu, ouais. Et dans le bar. Donc, ça, quand il venait, ils voyaient, ouais, ils ça. Avec, comme on veut un peu commencer à mettre de l'ordre, on a trouvé la place. c'est mieux. Pour, mieux sécuriser Pour mieux sécuriser, que ça soit plus organisé. Comme ça, au moins, quand on veut partir, on part d'ici. on n'a pas à aller prendre un peu de là-bas, un peu de là Ok, c'est bon. ngir am information yu wér te wóor abonneel Jéeri TV bés